Moi ah, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Ma vie n'est sans toi. Aïman a besoin de toi. T'es ma reine et je suis ton roi. Dans tes yeux, je me noie. Bébé, viens, je suis fou de toi. Si je suis roi, c'est toi ma reine celle qui efface mes peines, la seule qui me comprenne. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. Eh ben, c'est toi ma reine. Celle qui me va bien, la seule qui me soutient, celle qui me fait me sentir bien. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. La musique love, c'est de cela qu'il s'agit. Bonsoir et bienvenue sur Tous à la Fada, votre émission hebdomadaire consacrée à la jeunesse nigérienne. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui sonne bien dans les oreilles des jeunes. Il s'agit de la Saint, Saint Valentine, communément appelée la fête des amoureux, qui sera célébrée ce 14 février. Rabbi, a briefé dans la première partie de notre émission sur l'importance de cette fête et la place qu'elle occupe chez les jeunes de par le monde. Comment réussir une fête de Saint-Valentin Qu'est-ce qu'il faut pour l'agrémenter Pour certaines personnes, il faut de la bonne musique. Parce que nous sommes jeunes et notre inspiration, c'est justement la musique. Pas n'importe laquelle, mais la musique sentimentale. D'autres disent les chansons d'amour. Quelle place occupe la musique dans la vie sentimentale des jeunes Les sons d'amour peuvent-ils consolider l'amour dans un jeune couple Utilité et influence des chansons d'amour dans les histoires de cœur, c'est le sujet de notre fada. Nous sommes avec euh, Kim Golden. Tu vas bien Kim Golden Tu fais quoi dans la vie euh, Je suis cinéaste de profession. Et moi je dirais tout simplement que tu es une jeune amoureuse. Je suis ah, bah avec un artiste, pas n'importe lequel, il est artiste chanteur. Dans son album, on a déjà deux tubes qui marchent et qui parlent d'amour. 2811 Cargo, c'est le nom de l'album. Alors, Ayman, je te souhaite la bienvenue. Je suis avec euh, le délégué général, bien évidemment, de la commission des affaires culturelles. Qui dit commission des affaires culturelles dit chant, danse, dit jeune. Ça va Ça va. Tu vas bien Ouais. Tu pètes la forme. Carrément. Ou c'est la forme qui te perd je pète la forme. Alors, je suis aussi avec Mr. Ali Vous l'avez certainement écouté, mesdames et messieurs, le samedi, il était avec Ravi. Il a décrit une chanson spécialement pour sa meuf. Ouais. Qui s'appelle déjà Florence. D'accord. Alors, on va parler, mesdames et messieurs, de musique, chronique, réaction et questions d'auditeurs viendront alimenter notre discussion tout le long de ces 35 minutes d'émission. Vous connaissez la formule. Envoyez jeune au 80 06 88 54 pour écouter et réagir nos contenus. Le thé est servi, c'est ça Les chiens sont bien occupés. Hey. On peut commencer hey. Let's go, everyone. tu sais. L'amour ne m'est jamais, c'est ce que moi j'ai compris. Je t'aimerai à jamais de tout mon cœur. Yo mama Imuna, viens mama Imuna, I say my Bon, Oh Oh king, golden. Oh my king, golden. Oh On va parler donc je, de la musique. Je suis en train de fondre là. <laughs> <laughs> La fête de Saint-Valentin rime avec musique d'amour et de cadeaux. Il y a ceux qui font de tout. Il Igfata Chino Kansigine 14 février. Di fata Moarang Bekan Baksine Sanino. Musique Sanino. Artiste Mourg Bay Dir Sambu Kandu Zongoban. Kanandu Weyega. Kulu Ikand Love Sani. Il faut no, Ikand Love Sani. wodin wargisin tanga haymanha kanka ta artisto nal okay. mora musique kono gono kango kan parce que din sambu andu nyambo mboda kan ina kan irko ina taka andu nyambo taka ngo vaccine bonante andu nyata kengo vaccine bonante vaccine bonante ga misali ga hayo kul kan irko te anda mai sena gite zama ba anda mai zai seno asena na hayo kulte andu nyabon ta kare ku ngate alma yo kan andu nyabon zama se irko ba anda mai zai asena nte ya dinga ay ngene se kan andu nyambo ataka yo ba kisene bon ante kim golden naimin hasani fo ni gamara son kuna considérons que na arwoso an kanise puttu follo han kango gundara an kanu gusamnise oh ifono efefewono wono gengengtenise ba konda ka bano don misali ga afollo afollo <laughs> misali ga idi serki do nono neymar prendre ses parties odni bakasi na ise boriyandira bakasi nese mboya na fundino ifolo ifolo bakasi nase donc du coup bakasi nese ni norgo kande kuna émission eh, bon wono chadi ya de no bakasi nase noi moigi no fondo <laughs> bakasi nase nega bani macha paise <laughs> ni machi ese hunkun zaro ni arwoso de ni arango Go de masauti kan ga salam baka bon ifono ne gate se kim golden <laughs> Déjà, ça me fait voyager. Donc, du coup, c'est non. On voudrait que tu me dises ce que ça te fait, l'effet que ça te fait quand tu écoutes une chanson d'amour. En tout cas, honnêtement, grand frère, c'est pas parce qu'on est sur, euh, sur euh, l'émission. Mhm. Les chansons euh, d'amour, ça a beaucoup d'importance pour concrétiser hein, une relation amoureuse. Mhm. Je m'explique. Mhm. Moi, je suis pas un chanteur, mais je suis danseur et j'écoute beaucoup des de musiques love. Rien que avant-hier, j'avais interprété euh, un chant mhm. de MGM Crew, Mr. Lova. Mr. Lova. Il faut, il nous interpréter Non, non, pas sur, scène. Mm. J'avais interprété ça en vocal. En vocal. Et envoyé à ma meuf. Mais dis-moi pourquoi tu as fait ça. Parce que je sais que quand elle va écouter ça. Ok. Ça va lui faire des effets. Et je vous assure, les réponses que j'ai reçues, quoi. Ouais. Bon, ce qu'on va faire, ce qu'on va <laughs> faire, fais-moi la chanson. Ça donne quoi Mr. Lover, Lover, Mr. Lover is my name. I will turn my life for you go. I'm the lover, girl, be Man. elle est si belle, c'est la princesse oh, de mon cœur. Je comprends, elle est si belle, c'est la princesse de ton cœur. Alors, est-ce que tu peux déjà me dire <laughs> le fait que ça lui a fait Vraiment, elle a beaucoup adoré. Elle a apprécié, elle m'a envoyé des messages vraiment qui, qui au retour, moi-même, je me suis senti à l'aise, quoi. Ce qui veut dire que vraiment, la musique love, ça contribue beaucoup à la concrétisation des relations amoureuses. Super. Voilà. Aligi. Yeah. Aligi. Oui, le grand dandy. Tu es artiste nigérien. Oui, effectivement. Tu as décidé de chanter le 14 février pour ta meuf. Ouais. J'ai écouté cette chanson dans la première émission. Il faut signer nous tsambuni ya nous chapa nous on dit à 14 février. Il faut de nous nous marquer nous Point nous marquer c'est pour mieux aromatiser notre soirée mhm. du 14 février. Mhm. C'est-à-dire, il y a, des cadeaux qui sont là, mais quand même, il faut que je les renforce avec une chanson pour qu'elle se sente vraiment plus euh, épatée dans la soirée, tu vois un peu. To il faut magader regarde et dono spécialement fatien on Bon, c'est que sûr, c'est que dono un seul pour que Irwana Saint Valentin Hana irma kanan digumu ai mana te danga ai ma ka tarai bora kurse wadin wa a lokacin goka duniyan gona kan ai te kan wanda yayi e, vaccine wannan etu me wani wo ayin te denu iri wani san valentin wa hanisi just da yamu dan aibin ba ka maka ka ni hinna magasi donc misali ga nuwo doni kono wat kan ba hantum num do bor borse spécialement on da dans ma tu sanno sko ne denne bokku sala ko me no kim golden <laughs> kim golden nangay nangay men hasani fo une chanson d'amour hmm. peut-elle être un facteur déterminant dans une relation oui c'est vrai quand tu les écoutes, par exemple, euh, tu, tu es de sortie avec euh, Né Arusso, déjà un déjà instant romantique, vous êtes là, Rango Goro, c'est collé, serré, et il y a un son, vous êtes en train de l'écouter, et ça vous fait voyager, voyager. de telle sorte que... Quel genre de voyage

nik fongu dal borga hey <laughs> walna gondal bor bobu no ah ay sun bal bor don dika day dinga bay <laughs> troisième guerre mondiale na kan bunu sudu troisième guerre bon ay gonde albo c'est une façon de c'est une façon de parler j'ai mon mec je l'aime je l'adore et ça fait deux avant de vous redonner la parole, cher ami, on va écouter l'avis des jeunes de Niamey sur justement les chansons d'amour. Ils sont au micro de Big S. Aïe musique kangan gum gum surtout irin wani Niger don kay aïe bay musique kai gum zama aïe ma haiki gici kane se gumo. Aïe bak sina aïe bayi musique kai gumo. Ga dai no kane se gumo truc so ga. Aïe gangan akim doni. Mhm. Dal radik doni. 10.1 mhm. eh muna ina saka mawaka don ka ce nan kuna son waka kware ma ina son waka kware. kwarai wani irin wakoki kuke saurari kamar wakokin soyayya kan suna buge ni aha kamar yanzu misalanci an dauka ɗan mawakin Niger wani irin mawaki masu waka soyayya kuke so a nan Niger bon ina son da yawa kamar yanzu kun duka an kun gani Ali Atibili yana wakokin soyayya kware kware shi ma yana buge ni iban dala adik sode oui ay hanga musique gum gum men rayo musique français wana français bon artiste kan ay préféré ta Ayana Kamura ida daju nga dano ay hanga parce que la plupart daju no te vaccinay musique alors je voudrais avoir vos réactions par rapport à ces jeunes Hayman oui, j'ai écouté avec attention. Et ils aiment bien ce que vous faites. Ils aiment bien ce que les artistes font. Partant déjà de ce Vox Pop, vous faites, vous faites aujourd'hui, vous, chantez l'amour pour vos fans ou bien vous profitez d'une situation pour impressionner vos meufs, vos propres meufs. C'est que sur l'un dans l'autre, on le dit toujours, à chaque fois que nous disons chaque parole qui sort de, nos, notre, de notre bouche, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ça touche quelqu'un. Donc, euh, qu'on le veuille ou non, même s'il faut qu'on parle d'une situation, d'une personne, d'une situation vécue déjà, on sait que quelque part, quelqu'un est en train de vivre cette même situation ou a eu à vivre ça. Donc, c'est pour te dire que c'est un peu universel. On le fait, c'est pour tout le monde et on sait que ça va toucher les gens. Nous, le, nous écrivons tout en tenant compte de ces choses-là. Et je sais que la que tu as chanté, tu as chanté ça aussi. Exactement, exactement. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés aussi. Comment Ouais, j'ai dit, tu as fait ça pour une fille, mais bon, c'est adaptable. Voilà, c'est bien adaptable. <laughs> ça a beaucoup adapté. <laughs> Alors, ce que je veux de toi, est-ce que tu peux me faire une chanson d'amour Une chanson d'amour Sur cette émission Parce que tu as chanté pour Halila. Yeah. Halila. Une vraie histoire. C'est ça Raconte-moi un peu l'histoire de Halila. t'ai promis de t'aimer Comment mais je vais tout donner. Je vais jamais te laisser tomber. Jusqu'au jour où mon heure va sonner. Rassure-toi ma bien-aimée. Mon cœur tu l'as emprisonné. Toutes mes heures tu as pardonné. Valé tu m'as pardonné. Je me noie dans tes yeux. Tu te noies dans mes yeux. Je me noie dans tes yeux. Tu te noies dans mes yeux. Je me noie dans tes yeux. là Tu te noies dans mes yeux. Valila. Valila. Vous pouvez recevoir tous nos contenus en vous abonnant à notre fil WhatsApp en envoyant geno 80 06 Ainsi, vous pourrez réagir. Nous sommes au Bellissimo. On parle de l'utilité et l'influence des chansons d'amour dans les histoires de cœur. Nos invités, Kim Golden. Ayman Ali et Mr. Seno. On a parlé dans un premier temps d'utilité et de valeur des chansons d'amour dans un couple. Passons maintenant aux retombées qui peuvent être positives ou négatives de ces chansons. Quelle chanson écoutez et directement ça vous rappelle votre amoureuse Seno ah! <laughs> ber ni kan sani fa kare sirum ko wallahi ni kan sani musique fono din hangande oh. puttu follo nugu no bin ba kaga wallahi ay bin ba ko fogo no kambere kan hiji gidir gayna <laughs> bere asene nen se sanni gono ey wallahi bere sanni gono okay ay bin ba ko no kan a hiji jir tacinir te charbande 4 ans saer go lycée ber kalir ka fak charbande elle ta lycée mais ko ti afan ma elle ko elle s'est mariée elle se mariée. Mais c'est un très bon geste. Bere, doni fogono kanza aina hangan. Mm. Wallahi bere ga fongaga. dono i fono dono vaccine doni mono i fono dono ni fongo dono te sikki ni foder ma parce que musique d'amour sendir go kande beere beere ayg fengu no oh, chris brown noon te chris brown noon te falling down eh. falling down oh. to tese ɗo no ɗi kayni ma si sometimes i don't wanna wake up alone uh-huh. wallahi ngonogo wana sometimes i don't wanna wake up man when our people come, I don't wanna let people down. People Can down. you imagine weight of the world placed on your shoulders? Dark in this world. No one can reach you. Ooh, so no one can help you now. Alors, I want, ah non, non, attends, moi j'ai envie de chanter. J'ai envie de chanter pour elle. I want to you say that you make me crazy. You are a light of my life. Light of my life. Mais on parle de chansons d'amour, mesdames et messieurs. Donc normal qu'on doit chanter l'amour. L'animateur a l'obligation de chanter

Pensez-vous qu'en cas de rupture, entre deux jeunes, une chanson peut être source de rapprochement à nouveau entre les deux Dis-moi, tu as un ex ou pas Kim Golden, tu as un ex ou pas Tu as un ex. Est-ce qu'aujourd'hui une musique peut te rapprocher de ton ex Aïe <laughs> eh, Écoutez-moi cette question. Eh, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, <laughs> votre attention s'il vous plaît. Nous sommes sur l'émission Tous et la Fada. Votre attention s'il vous plaît. Kim Golden, on reprend la question. on l'avait écouté. Mais dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui une musique peut te rapprocher de ton ex <laughs> Je répète encore jamais. Hey ok, ok. My Cela veut dire que si demain ça ne va pas entre toi et moi, ma reine de Dadou ne peut pas nous rapprocher. Même si ça te rappelle des choses, ça peut te rappeler des choses. Ah, si, si, si tu fous, tu fous la merde là, vraiment, ça peut, nous rapprocher. Si je fous la merde, je suis foutu. Ah, tu es foutu. <laughs> ok. Alors, c'est nous, c'est nous, je reviens à toi. Ok, grand frère. J'ai déjà la réponse de Kim Golden. Alors, c'est nous, dis-moi toi en tant que mec. Moi, je. Tu, tu, as une ex Ouais. D'accord. Moi, je, pense, je pense. Si on prend par exemple aujourd'hui, considérons que mhm. ta meuf qui s'est mariée ouais. ne l'est pas et qu'il y a une rupture. Est-ce que la chanson que tu viens à l'instant de, de, chanter, est-ce que ça, te rappelle ou bien ça peut te faire des effets, ça peut vous rapprocher à nouveau ensemble Effectivement, effectivement. Moi, je pense le contraire, c'est ce que Kim Golden vient de dire. Kim Golden, je pense le contraire. C'est pense le contraire. Voilà. parce que, tu viens de dire. Parce que moi, honnêtement, euh, c'est vrai, la meuf, elle, elle s'est mariée, elle m'a, elle m'a laissé. Mais jusqu'à présent, souvent, quand j'écoute, tout à l'heure la chanson que euh, l'autre l'a interprétée, la chanson de, Chris Brown. Souvent quand j'écoute ça, par exemple dans la nuit comme ça, j'écoute ça. Souvent je pars sur Facebook pour regarder ces photos. Oui, Allah. en écoutant la chanson. Voilà. Vu qu'en écoutant la rien chanson. qu'en écoutant la chanson. Ça me rappelle automatiquement d'elle. Et souvent, je pars sur Facebook. Kim Golden. Euh, Vraiment, je ne sais pas. Donc, cela veut dire que tu n'as pas vécu un véritable amour. Euh, une relation, non, non, mais Kim Golden. Ingo, il dit tout à fait le contraire de Motkanichida. Anengo, il suffit juste une musique au Hangan. Juste ça que rappelle sa meuf et son ex. Les ruptures diffèrent aussi. Hein. Et donc, il t'a fait mal. Hayman. Est-ce qu'une chanson d'amour peut changer une vie à tout jamais? Eh, aigita ma bakisine donu ala aga bafune barme aga bafune barme zama sai ifono donu hariyan nogo ara kan iko non te yadin matkul kan ninda bora gamago halde aran donu carbande alwat fura donu gonu kan imine aran ga hangan carbande na aran ga hangan so bobo to Kulu watukul kan dono din ni mara ɓa bora gono da bora sino donc donodin mayongo hinni se candidate vraiment agadan nim fongo donodin magu talibobu gono kanyan bon nigu moise kim golden va choisir la chanson d'amour à passer pour nous permettre de souffler un tout petit peu à musique Ok. yeah, Kim Golden Je vous demande de l'applaudir et de l'encourager. Kim, Kim, on y va. Kim Golden, Kim Golden, Kim Golden, Kim Golden, Kim Golden. Kim Golden, choisis la musique. Une chanson pour ton euh, amoureux. Bon. Une chanson pour me faire plaisir. Ah, ah. Parce que je suis ton amoureux sur l'émission. Ah oui, bien sûr, pour ne pas te créer des problèmes. Ah, en tout cas, pour ne pas me créer des problèmes. Hein? <laughs> Faut pas divorcer mon mariage. T'inquiète. <laughs> Ah, Alors, Kim Golden propose une chanson pour ton mec Zamandonia de Cal. Wow. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux, tu peux, tu peux me faire la chanson <laughs> Zaman <laughs> duniya masoyiya ta sai a eh. Zaman duniya On kiffe Mr. Carl sur l'émission Les <laughs> and de Gentlemen. Hey. <laughs> Dernier virage de votre émission Tous à la Fada. Nous parlons de chansons d'amour. Saint Valentin oblige. Utilité et influence des chansons d'amour dans les histoires de cœur. C'est le sujet de notre Fada. Kim Golden est avec nous, mesdames et messieurs. Mr. <laughs> Hyman est avec nous, mesdames et messieurs. Alidji avec nous, mesdames et messieurs. Nous sommes aussi avec Mr. Seno de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Question. Alidji. Naimina Sanifon. Est-ce que nous, Matkano Nugodi, on est Doni, vacciné Doni. Est-ce que Aginga, quand Barmayan, Sangamissaliga, Barmayan, Bambata, en Dunyi Fondo Timino, Donuo, Asino, Kansinde Maana, Kalidei, Wakan, mankwai ni wana ni wana kalde wakin mankwai borase amma doni kunno ma'ana doni koy ne a gwanda lokaci kan igina sai danga a nasara no gane sa immortalis le moment sai ki fake lokaci yan gona kan banin da bora aran faitare dinna doni foyan hangan igina nim fongu bora kan ganin da aran aran si gason eh aga aga borera proche quoi guma guma wewe guma bumbo sani ko korfo deno no gonda bere ni bay hale mission go sintim ay man ne ha irko mbo dunya vaccine se nan taka mm. vaccine se no yadi ngam kuna da artiste da artiste go gudo no vaccine se c'est comme si igoga hayakan hayakan maga se irko ni dunya taka igoga igoga igo katinge gaksina quoi donc sangi goga appuyer france sénégal donc moi hanke gingine artiste se da artiste igin ayo de gudumbo artiste mchingite vaccine doni gabagumo zaman kuna artiste bo bengo no kanigidi iwana iwana musico za fata ag marché il faut ga se zama vaccine doni no ite ibobo vaccine doni no din ka di bora kulno go bara da junia

babandi inge do ne ra bat mi chapa mi chapa mi chapa zama agana chapa mi chapa agbore manan di chenga chapa mi chapa mi chapa <laughs> mi chapa mi chapa mi chapa baksi chapa mi chapa mi chapa baksi chapa mi chapa mi chapa baksi ne tingolen ni no gonda garpo so follanta sanni fono no no gonda amurai da amurai zaisi sangam misali ga <coughs> do ne do hara baksi ne do hanai do hara dangamate irin bacare sanga misal borai mu bacare done ginan borai mu bacare wal done ginan borai done ginan borai mu bacare done ginan borai mu fai doni ginan borai mu bacare doni ginan borai mu fai oh. donc doni wo agode bindora oh si ça a des aspects positifs ça des aspects négatifs c'est juste ça aspect positif irim quoi aspect positif par exemple moi il y a des sons euh, quand je suis avec mon mec mm -hmm. <laughs> mai cinga haru abo wala afungai boga abo karasir mon ko kingol eh, den kar kar kar oh ah l'aspect positif quand tu es avec ton mais continue isine ka nimbum bora na gaba ya eh, mais inga da ne torum ko aspect négatif aspect négatif il y a des sons que vraiment euh, comme Dajou l'a dit dans son son j'ai juste envie de claquer sa tête sur une c'est compliqué Kim Golden man karaga c'est <laughs> Alors Hayman, une chanson pour accueillir Mr. Olivier, notre chroniqueur, mesdames et messieurs. Je vous demande de faire un maximum de bruit parce que nous avons la chance donc d'avoir un artiste sur cette émission. Une chanson pour donc euh, l'accueillir. Makai Mr. Oli gani Oli Olivier ah, Oli la chronique Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Mr. Olivier <laughs> Olivier, on te souhaite la bienvenue. Comment tu vas Merci mon grand. Aujourd'hui, c'est toi qui pète la forme. Les meilleurs, sont sur Studio Kalango. Ça c'est vrai. Les meilleurs sont ici. Tu me fais la pub <laughs> <laughs> Alors, dis-moi, Olivier, comment les choses se passent, dis-moi Tranquillement, comme ça. aujourd'hui Ce soir, on va parler de la migration, et de l'agriculture. Migration et agriculture. Est-ce que l'agriculture peut retenir les jeunes ou bien est-ce que l'agriculture peut empêcher les jeunes de migrer les jeunes qui kiffent cette émission depuis Agadez, depuis Difa, depuis Dosso, depuis Tawati, Laberi, Niamey, Kolo, Torodi, Zender, ah bah, Olivier s'adresse à vous. Ah ouais, et de Maradi et de, Maradi, de Dosso. Amis auditeurs, aujourd'hui dans la chronique, nous allons parler de la migration. Plus précisément, du lien entre migration et exploitation agricole. De prime abord, nous pouvons nous demander quel rapport existe-t-il entre la migration et l'exploitation des terres. Eh bien, il en existe. Un petit récap. On se rappelle des, des, initiatives des organisations locales et internationales qui mettent l'accent sur la promotion agricole afin de maintenir les jeunes chez eux. Autrement dit, limiter la migration par l'agriculture. En décembre 2019, par exemple, dans le département de Gaïa, 2004 jeunes ont été formés dans ce sens. Adamou Kino, point focal de la Chambre régionale d'agriculture de Gaïa, affirmait, affirmé au micro du studio Kalangou ceci euh, cette année 2018-2019, 2004 euh, jeunes qui ont été formés des deux sexes confondus, féminin et masculin. Il y en a eu en riziculture, il y en a eu en maraîchage, il y en a eu, il y a transformation également. Tout récemment, le 20 passé, les formations viennent de prendre fin dans toute la région. Et tous ces jeunes-là qui sont formés finissent par euh, monter des dossiers de subvention. C'est-à-dire que certains, s'ils le veulent, c'est la transformation. Certains, s'ils le veulent, ils montent des dossiers pour euh, avoir euh, des clôtures guérillagées, d'autres pour le commerce. Tout ça, c'est haute autorité de ce pays-là qui sont en train de chercher à mettre ces jeunes-là dans de bonnes conditions afin de les maintenir, éviter de les laisser errer ailleurs dans les pays voisins. Au lieu de, tourner ça et là, ces jeunes-là s'accrochent à ce maraîchage. Ça, vraiment, en matière de maraîchage, Gaïa pourra être en tête de liste. Alors, si ces initiatives de promotion agricole ont souvent pour objectif de maintenir les jeunes chez eux, un rapport du groupe d'études et de recherche sur la migration, les espaces et les sociétés appelées Germès nous révèle que les choses sont presque contraires dans certaines localités. Issa Abdul Hinza, chercheur et membre du GERMES, nous explique ceci. C'est des constats d'ailleurs qui sont extrapolables à l'échelle du pays. D'une certaine manière, euh, l'agriculture ou le maraîchage contribuent à financer la migration. Alors, comment est-ce que vous expliquez cela Je pense que c'est peut-être dans le calage des projets. Euh, peut-être qu'il faut déconstruire une certaine idée qui pense que euh, quand on aide les populations à produire, euh, sur place, euh, cela est susceptible de les maintenir sur place. Non, il faut tenir compte de l'évolution des choses. actuellement, les besoins ont, évolué. Euh, il n'y a pas très longtemps, il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y a pas très, très longtemps, y a beaucoup de besoins n'existaient pas. Il faut peut-être revoir les choses. Est-ce qu'il faudrait aider une population locale uniquement pour produire à manger ou il faut redéfinir tout ça Je crois qu'il faut, il faut déconstruire certaines idées qui pensent que juste si on on aide une population à, être autosuffisante sur le plan alimentaire, cette population est susceptible de rester sur place. Je crois qu'il faut revoir les choses parce que est-ce que dans le Sahel d'aujourd'hui, dont le Niger est un, est un espace témoin, est-ce qu'il faut euh, continuer à croire que l'élément déclencheur parce que euh, la crise alimentaire a, toujours été considérée comme l'élément déclencheur au Sahel de la migration. Mais est-ce que cette idée-là a encore, euh, euh, encore d'actualité Je crois qu'il faut déconstruire tout ça. Là. Alors, je précise que cette étude a été réalisée dans les communes de Raikanasu, Loga, Dogodouti, dans la région de Dosso, dans la ville de Maradi, les communes de Dakoro, Madarumfa et la commune de Maradi et aussi bien évidemment dans la commune de Kanché, dans la région de Zender. Grande innovation de cette recherche. Cette recherche nous a prouvé que les jeunes ne quittent pas leur contrée que par faim, mais aussi il y a d'autres besoins qui sont exprimés par ces jeunes. Du coup, l'agriculture ne peut pas forcément maintenir les jeunes chez eux. Alors que ce soit la lutte contre la migration, tout comme les autres initiatives politiques à l'endroit des jeunes, je pense, et nous pensons ici que ces initiatives doivent faire objet d'une actualisation sans cesse croissante, au risque de voir des initiatives politiques obsolètes en face des réalités des jeunes. Merci. Merci, Mr. Olivier. Mesdames et messieurs, à partir donc de cet instant, nous allons réunir toutes les conditions qu'il faut pour prendre congé des jeunes qui kiffent cette émission, pour prendre congé de la population. Nous étions avec Mr. Ayman, mesdames et messieurs. Ayman Un dernier mot One love. Il a chanté <laughs> l'amour sur l'émission. Nous étions aussi avec euh, Mr. Alidji. Fais-moi le check. Aliji, Alidji. <laughs> Oui. Place-moi un mot. Ouais, je dirais tout simplement big up à tous les lovers. Et eh, nous étions avec Mr. Seno. Seno. <laughs> Oui. One love. One love à tous les lovers aussi. voilà. Kim Golden putu folon ke mo forma ha gaine en tout cas, live lover, hein, parce que j'entends parler trop de lover. J'invite bah. euh, tous les jeunes à participer au live lover. Une façon de commencer la semaine de l'amour. Semaine de l'amour avec Mr. Carl. Ouais, avec oh, c'est fin juin. Ouais. <laughs> Mesdames et <laughs> messieurs, on prend congé de vous tout de suite et maintenant. Aramadei, Hankan Jonechi, Ine Ingewo, Iga, intéressé, musique lovoga. Hayman, Inehan. Hein ara mu ci gaba da donai din misali les jeunes se retrouvent à travers les chansons d'amour donc haldir ga ban hayman doni kan ne se ga fata ngmo ba sinai bonno er banda zade kan ba sannino ergo kande elle c'est ma reine elle c'est mon bébé oui je l'aime c'est elle que je veux mais je ne sais plus ce qui s'était passé. Elle est partie elle m'avait laissé. Bébé, Aïman, reviens à moi, reviens à moi. Yamé, c'est moi. On m'enseigne que sans rien, l'homme n'est rien. Que sans argent, la vie de l'homme on m'enseigne que la vie est bonne à rien, que tout se résume qu'au taper à la pendule. Moi, je me rends compte que sans elle, je ne peux rien. que faire de tout, c'est bien, quand mon cœur est aussi loin. Oh bébé, à partir de cet instant, on prend congé de toi, my baby. You make me crazy. You are a lot of my life. Machino, ngandelo vere, s'allonge Hey.